foog ñu fàttali. le rôle presse moins défendre le citoyen. rôle presse de défendre le euh, gouvernement. Mm. de défendre parti de défendre président de la république mais nga mais mu nekkal fi citoyen donc c'est le rôle presse dans le développement économique et social. Mm-hmm. Euh, ba jamono euh, Covid 19 bi. et mhm. muy nous rôle bu presse dit jouer dans la stabilité politique et sociale. Mhm. nous euh, nous nañu le euh, rôle presse si alternance politique yi am fait au Sénégal en 2000 mhm. et en 2012. donc lolo son rôle dans la la stabilité politique et sociale. mais vous voyez sur rôle de manière générale rôle de presse le développement économique et social dans tous ses aspects. Hmm. Euh, bu euh, yale passé ay hmm. Hmm. ci mon virus Ebola. donc en matière de santé publique également rôle de presse est fondamental aujourd'hui euh, c'est Covid 19 bi sans la presse amul bataille contre le Covid 19. parce que presse. mooy jottali. Euh, toutes les mesures de prévention à la population. Mhm. mooy jottali. Mhm. kaddu mooy doon euh, relais bi. mooy nekk relais bi. Mhm. rôle bobu c'est fondamental. donc xam nga donc rôle presse vraiment de rëy té ñu ngi rafetlu. vraiment de euh, tous les médias du Sénégal. ak façon support bu muñu nek de nga mu la presse écrite mu la presse en ligne. mu le l'audiovisuel. donc lolu c'est fondamental pour ñu mëna fagorou faire euh, euh, la maladie là parce que vous nous respecter les mesures de prévention vous ñu euh, bu presse fexé ba sénégalais yi changer comportement chaque jour de nga dinañ dinañ donc la maladie là donc mel na ni si gestion pandémie bi la le sens de responsabilité surtout même la ñu si ci oui oui oui le sens de la responsabilité parce que. Mhm. Euh, xam nga bu savez, réseaux sociaux nous sommes des professionnels de l'information. tout à fait Nous sommes des journalistes Nous donc ñun. Mhm. Euh, information vérifiée. Mhm. moom rek Nous Et nous avons... ñun nous nous sommes quasiment le porte-parole des autorités sanitaires mm. muy le ministre euh, de la santé et de l'action sociale mm-hmm. euh, muy les spécialistes comme euh, le professeur Seydi comme mm-hmm. la directrice générale de la santé mm-hmm. avec le président de la république le gouvernement nous ñun donc porte-parole Nous sommes le travail de journaliste def ay investigation sur le terrain pour euh, gën a euh, dalal les sénégalais. Mm-hmm. pour ñu mën a xam naka lañu ñu féetewoo. Mm-hmm. avec la maladie.